le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu le forum du studio Kalangu 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Niamey, vous nous suivez sur Alternative FM 99.4 MHz, Enfani FM 100 MHz, Quartier FM 90.9 MHz, et Challenge FM 96.6 MHz, notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum du Studio Kalangu est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, le forum porte sur l'étiage du fleuve Niger impact sur l'environnement, la production d'eau potable, le programme Kandaji, la pêche et les autres activités connexes. Le fleuve Niger est le troisième du continent africain par sa longueur après le Nil et le Congo. Il prend sa source en Guinée, traverse la Sierra Leone, la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et puis le Nigeria. Ce fleuve, certainement la plus grande ressource ressources en eau du Niger joue un rôle éminemment important, aussi bien pour les besoins en eau des productions que pour la production et la pêche. Depuis quelque temps, ce fleuve, on le constate, la baisse du niveau du fleuve Niger, voire même absence à certains endroits. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la survie même de l'existence humaine. Avec nous dans ce studio pour débattre de tous ces problèmes commandant Moumouni, chef de division suivi des ressources halieutiques et vulgarisation des nouvelles techniques et technologies de la pêche à la direction de la pêche et de l'aquaculture. Commandant Seyni Moumouni, euh, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également euh, Siaka Oumarou, coordonnateur national du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger à la direction générale des eaux et forêts. Siaka Oumarou, bonsoir. Bonsoir. commandant Seni Quelle est euh, la situation actuelle euh, du fleuve Niger Ce qui est sûr, c'est que la ressource empathie euh, de cet étiage sévère. Parce que qui parle de l'eau parle du poisson, et qui parle du poisson parle de l'eau. Et le fleuve Niger, c'est quand même, ou bien du moins c'est la pêche, c'est quand même une activité qui occupe plus de 70 000 personnes au Niger, de façon directe, et de façon indirecte, plus de 200 000 personnes et en grande majorité sur le fleuve Niger. La production, à titre d'exemple, la production du poisson qui s'élève en 2017 euh, à environ 36 000 tonnes, plus de deux tiers, plus de 20 000 de cette production concerne le fleuve Niger. Voilà, donc euh, quand la ressource est entamée, il va de soi que ça entame beaucoup de couches sociales au Niger. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'étiage sévère. Et cet étiage, effectivement, ça, s'accentue au fil des années. Chaque année, quand même, il y a l'étiage, mais ça s'accentue quand même avec euh, euh, le phénomène de changement climatique et le phénomène d'ensablement dont le colonel est là pour euh, vous en donner plus de détails. Voilà ce que je peux dire pour le moment en ce qui concerne l'étiage du fleuve. Commandant Moumouni, depuis quand les Nigériens n'ont pas vu la situation actuelle du fleuve Niger en tout cas, l'étiage sévère, que ça, ça, ne date pas quand même de cette année. Euh, dire, je n'ai pas une idée exacte, euh, une année de référence pour vous dire que, pour vous donner quand même euh, l'intervalle de temps sur lequel on a, ce qui est sûr, on a quand même un étiage sévère cette année. Voilà commandant Mouni, à plusieurs endroits du fleuve Niger, les piétons peuvent traverser. En moto, on peut traverser le fleuve Niger. Est-ce là une situation inquiétante pour les Nigériens C'est une situation bah, inquiétante d'ailleurs, Vous pesez vos mots, c'est quand même euh, très inquiétant. Très inquiétant quand le fleuve, on peut traverser à certains endroits à pied, c'est quand même très inquiétant pour la ressource halieutique d'abord et surtout pour les populations. Ce qui est sûr, euh, le seul espoir ou bien la seule alternative euh, sur laquelle peut-être il faut compter, peut-être euh, c'est Kandaji pour réguler le débit de, l'eau du fleuve. Vous parlez du barrage de Kandaji. Nous savons qu'en amont, au niveau du Mali, on a construit plusieurs barrages sur le même fleuve. Est-ce n'est pas un handicap pour le barrage de Kandaji Ça ne peut pas constituer un handicap. Vous venez de dire qu'il y a eu plusieurs barrages en amont. Si le Niger fait un barrage, ce n'est pas de trop. Voilà, pas du tout un handicap. Est-ce que le barrage de Kandaji ne sera pas menacé Pas du tout, parce que malgré l'existence de ces barrages en amont, toujours on a quand même des milliards de mètres cubes d'eau qui se déversent dans l'océan Atlantique. ces milliards de mètres cubes peuvent être récupérés quand même pour euh, euh, avoir un épandage énorme, c'est-à-dire des zones d'inondation de pleine d'inondation énorme pour la production du poisson en amont quand même euh, de ce candagie-là et réguler quand même euh, le débit de l'eau en aval. Commandant Seynou quelles sont les espèces qui seront menacées à part le poisson dans le milieu aquatique quand même c'est une chaîne. Quand un maillon est entamé, toute la chaîne est entamée. Ce qui est sûr, avec l'étiage sévère, vous avez quand même une concentration du poisson dans le lit mineur. Et d'ailleurs, souvent. Le lit mineur, c'est quoi le lit mineur Le lit mineur, c'est-à-dire, c'est la partie la plus réduite quand même du, cours d'eau par rapport euh, aux plaines d'inondation. Et d'ailleurs, avec cet étiage sévère, ce n'est pas quand même le lit mineur, c'est carrément dans des mares résiduelles, c'est-à-dire euh, des mares résiduelles où le poisson se concentre. Et la pêche étant intense en ce moment, vous voyez que tous ces géniteurs-là, parce que ça correspond malheureusement aussi à la période de, reproduction des poissons, et ces géniteurs-là sont, pris. Et ce qui fait que, euh, à pareil moment, vous constatez que, euh, paradoxalement d'ailleurs, il y a quand même euh, une augmentation de la production au grand bonheur des, pêcheurs, qui d'ailleurs, ce qui est sûr, les années suivantes vont quand même accuser le coup quand même de ces prélèvements de ce stock-là qui n'arrivent pas à se régénérer. Et d'ailleurs, c'est ce qui cause effectivement la surexploitation du fleuve. Parce que euh, à ce stade-là, tous les poissons se concentrent dans, des mares résiduelles et souvent il y a des pêches collectives pour euh, racler tout. Donc, ce qui veut dire que le potentiel de régénérescence n'est pas aussi évident que ça commandant on Moumouni euh, au bord du fleuve, on peut aisément constater euh, que certains pêcheurs euh, n'hésitent pas à capturer les plus petits poissons. Est-ce que ce n'est pas un coup dur pour la pêche au Niger Malheureusement, c'est un coup dur parce que la capture quand même... de ces petits poissons. Des alevins. Des alevins, Cette capture quand même est interdite. C'est quand même la pêche prohibée. Et d'ailleurs, à, ce moment-ci, souvent les gens utilisent, en dehors, effectivement, en de la capture effectivement, des petits alevins, hein, ils utilisent euh, des barrages. des barrages avec des filets et puis mm. des, nasses, etc., qui est aussi un système d'exploitation qui est quand même euh, interdit malheureusement, ces actes sont quand même euh, réprimables, mais vous <laughs> connaissez la longueur du fleuve, le fleuve Niger, plus de 550 km, et par rapport aux moyens de dissuasion, ce n'est pas du tout évident. Et surtout que c'est une ressource euh, partagée aussi, ce n'est pas l'œuvre seulement des Nigériens, c'est une ressource partagée. Donc, euh, il y a des étrangers qui opèrent euh, sur le fleuve. Il y a des étrangers qui opèrent, qui opèrent sur le fleuve. Il suffit tout simplement que la personne paye les redevances pour les, permis de pêche. <laughs> Il a, il a droit à la ressource, comme tous les nationaux. Siaka Umoru, quel constat euh, aujourd'hui euh, sur le fleuve Niger Merci. Le constat aujourd'hui, comme vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui nous pouvons traverser le fleuve à pied ou à moto ou à véhicule, ce qui veut dire que malheureusement il y a le lit mineur du fleuve est ensablé. Aujourd'hui, le lit n'est plus profond, donc toutes les eaux comme on le dit, se sont retranchés sous forme de mât, si bien qu'il y a des parties où aujourd'hui facilement on peut, on peut traverser ce fleuve-là. Nous constatons aussi des bandes de sable un peu partout dans le lit mineur, ce qui empêche, euh, en tout cas, la baisse, ce qui entraîne la baisse de toutes les productions, que ce soit végétative, que ce soit halieutique et tout ce qui s'ensuit. Et un autre aspect, c'est que le fleuve ne draine plus beaucoup d'eau, si bien qu'aujourd'hui, on constate que même l'alimentation de la population en eau est un problème. Et ce phénomène, nous l'avons vécu au cours des années 80, où on a constaté que, en ce temps, le président Ali Chebou avait même érigé un partard d'eau pour permettre à l'eau de s'accumuler et permettre à la ville de Niamey de, s'alimenter à nous. Donc euh, aujourd'hui, le constat est amer et je pense que euh, nous devons y penser et prendre des mesures conséquentes pour, euh, en tout cas, alléger ce fléau. Siaka Omoru, le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Comment on est arrivé à ce stade-là Ce phénomène est arrivé suite, comme on le dit, à la dégradation du milieu. Vous savez, ce phénomène, quand l'eau de pluie tombe au niveau des, terres dégradées, où il n'y a plus de végétation, où il n'y a plus d'infiltration de l'eau au niveau de ces terres, l'eau ruisselle et crée des, ravinements énormes, ce qu'on appelle euh, les coris, qui transportent, cette eau-là transporte toutes les substances, toutes les particules solides et liquides vers le fleuve. C'est ce qui entraîne euh, des dépôts énormes de sable dans le lit qui aujourd'hui fait que le fleuve n'est plus navigable. Donc ça veut dire que depuis plusieurs années, des actions concrètes euh, n'ont pas été euh, réalisées pour un peu redonner vie à ce fleuve. Les actions concrètes ont été menées parce que si vous vous rappelez, comme je le disais au cours des années 80, il y a eu le débat national sur la, la lutte contre la désertification à Maradi. Au cours de ces débats, plusieurs actions ont été identifiées et plusieurs projets et programmes ont été mis en œuvre eh, pour, euh, en tout cas, eh, lutter contre ce phénomène. Mais, vu l'ampleur du phénomène qui, vous savez, aujourd'hui, le fleuve qui traverse notre pays sur eh, près de 550 km, vu l'ampleur du phénomène, quel que soit, en tout cas, il faut avoir des moyens énormes pour euh, lutter contre ce phénomène. Sinon, des actions ponctuelles que nous sommes en train de faire, parfois de façon disparate, ne peut pas lutter contre ce phénomène. il y a plusieurs pays qui se partagent ce fleuve au euh, Niger, dont euh, les pays membres de l'ABN. Oui. Les pays membres de l'autorité du bassin du, du, du fleuve Niger. Bien sûr. Comme dans la présentation, je me suis présenté en tant que coordinateur national du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger. Donc c'est un programme régional de l'ABN, de l'autorité du bassin du Niger, qui a eu à mener des actions concrètes au niveau de trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Suite aux résultats, en tout cas satisfaisants de ces interventions, les partenaires techniques et financiers ont sollicité d'étendre ces actions au niveau des neuf États et l'ABN pour pouvoir en tout cas lutter contre le phénomène d'ensablement. Actuellement, le dossier est pratiquement ficelé, tout est fini. On attend probablement en 2017 le nouveau programme, un nouveau programme qui va couvrir tous ces neuf États-là, va voir le jour et va mener en tout cas beaucoup d'actions qui vont dans le sens de lutter contre ce phénomène d'ensablement et aussi d'autres activités pour pouvoir permettre au fleuve d'avoir euh, euh, ses ces écoulements d'antan. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des actions qui se font actuellement pour pouvoir lutter contre l'ensemblement du fleuve Niger au niveau des versants du fleuve. Ce n'est pas actuellement seulement. Comme je le disais, il y a eu beaucoup de projets et programmes qui ont intervenu, des projets qui ont à faire des activités. Malgré, tout, tout, à Omoro, le problème euh, n'est pas résolu jusque-là Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Le phénomène est très, très grand. Il faut avoir beaucoup de moyens, suffisamment de moyens pour lutter contre cela. Et pour ça, le programme de lutte contre l'ensablement a eu à mener des activités comme d'autres projets antérieurs, mais ce n'est qu'un euh, chevet dans, dans une soupe. Il faut il faut, engager, des gros moyens. Il faut engager de gros moyens pour que, en tout cas, on puisse euh, en découdre ce phénomène. Sinon, vu l'allure où ce phénomène progresse, il arrivera un moment où, malheureusement, le fleuve risque de cesser de couler commandant Seyni à travers l'étillage sévère de ce fleuve Niger qui se vit actuellement, c'est la menace euh, directe sur l'existence humaine, c'est la menace directe sur les ressources halieutiques, vous l'avez rappelé. Absolument. Pour compléter effectivement le colonel, je disais, la lutte euh, contre la dégradation effectivement des terres, euh, comme il a eu à le dire, c'est une action à part. Mais pour pallier quand même au phénomène, je crois que si entre-temps ces actions-là sont menées et en même temps euh, il y a le barrage euh, sur place, ce qui est sûr, peut-être on pourra indiquer le, phénomène. C'est les docteurs qui disent euh, si vous souffrez d'une maladie et qu'entre-temps le palier est rentré dedans, si vous ne traitez pas le palu, vous ne serez pas sauvé. Donc c'est la même chose. Donc on n'a pas lutté contre les dégradations des terres tant qu'il n'y a pas euh, un mécanisme qui permettra de, réguler le niveaux de l'eau au niveau du fleuve, euh, je pense qu'on ne pourra pas s'en sortir. Et il faut, comme l'a dit le colonel, vraiment des programmes de grande envergure, pas des, petits programmes. Si <laughs> le fleuve a empathie donc toute la ressource, la ressource en également. Et j'avais dit que quand même sur le fleuve, il y a quand même plus de 200 000 personnes qui vivent indirectement de ce fleuve-là. S'il n'y a plus de fleurs, ça veut dire que toute cette population-là va en pâtir à part la pêche qui est menacée, il y a aussi certains animaux qui sont menacés, tels que euh, les hippopotames. Comment se passe actuellement cette cohabitation entre les hippopotames et les populations humaines euh, vers la région de Télabéri La cohabitation, c'est bon là, malin. De la façon, je dis, quand la ressource quand même euh, de l'animal est entamée, évidemment, même entre les humains, il y a quand même cette guerre ou cette confrontation. Donc, pour une bonne cohabitation entre les populations quand même euh, et ces hippopotames-là, je crois qu'il est prévu dans le cadre de Kandaji une sanctuaire pour les hippopotames. Une grande partie quand même euh, euh, de ce barrage-là sera une réserve, sera classée et dedans, il y a une sanctuaire pour les hippopotames. Et tant qu'il n'y a pas quand même, je me dis, s'il n'y a pas quand même ce barrage, il y aura toujours euh, le conflit entre ces hippopotames et les populations. Parce qu'il y aura toujours une compétition sur la ressource, c'est une compétition, parce que les irrigations et autres, les aménagements hydroagricoles qu'on érige sur, euh, si l'animal ne trouve pas à manger, il est obligé de se promener dans les jardins ou bien l'aménagement hydroagricole. Qu'est-ce qui est fait pour euh, ces populations d'hippopotames, termes de pâturage, pour qu'ils n'entravent pas les récoltes des populations riveraines bah, malheureusement, je ne suis pas mieux indiqué pour, voir, pour parler des mesures prises, mais ce qui est sûr, il y a eu quand même des mesures pour juguler le problème. Voilà, et en tout cas, malgré les euh, en tout cas, je pense que cette année, quand même, on n'a pas eu euh, d'accidents dramatiques euh, par rapport euh, à ces hippotames-là. Commandant muni quelle alternative pour les pêcheurs vu la menace sévère qui plane sur le fleuve Niger L'alternative pour les pêcheurs, c'est toujours ce barrage-là, en attendant aussi que le barrage soit réalisé, je crois que l'alternative, quand on dit pêcheur, c'est celui qui, même qui est en contact avec le poisson et qui ne veut pas vivre indépendamment du poisson. L'alternative, peut-être, c'est de voir les autres options d'aquaculture, de, pisciculture, pour euh, quand même euh, essayer de soutenir euh, la production la pisciculture, l'aquaculture, ça nécessite des gros moyens, commandant Seini Moumouni. Bon, gros moyen, je crois, avec euh, un peu l'appui de l'État. Ça ne nécessite pas beaucoup de gros moyens que ça, en ce sens que cette pisciculture, vous serez en mesure euh, de la faire euh, dans une zone où la nappe phréatique n'est pas lointaine, même dans votre jardin, vous pouvez faire la pisciculture. Donc, je pense que si quand même il y a un programme qui soutient ces pêcheurs-là, il peut avoir quand même une reconversion, même si ce n'est pas une reconversion, c'est quand même euh, une alternative en attendant euh, la normalisation de la situation. Colonel Siakoumourou, quelles sont les alternatives pour euh, lutter véritablement contre l'ensablement du fleuve Niger Les alternatives, c'est d'abord lutter contre le phénomène d'ensablement. Et ces alternatives, c'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est la mise en œuvre ou la confection des ouvrages anti-érosifs, tels que les banquettes sur des terrains dénidés, bien sûr, les plateaux, les glacis, et en tout cas tous les terrains dénidés, et plusieurs autres ouvrages anti-érosifs. Au niveau des dunes, c'est de trouver des moyens pour fixer ces dunes, que ce soit de façon mécanique ou bien de façon biologique, et, et empêcher au sable de se déplacer vers le fleuve. Il faut aussi mener des actions de protection des berges de couris les grands couris qui apportent du sable dans le fleuve, voir comment endiguer les berges et les accompagner avec euh, soit des plantations ou bien des ensemencements. Il faut aussi mener des campagnes de sensibilisation parce que toutes ces activités ne peuvent être conduites qu'avec les populations. Et une fois que ces activités sont menées, il faut assurer leur durabilité, leur pérennité. Si la population n'est pas associée, ça veut dire qu'après, même si on fait des plantations ou bien des ensemencements ou bien on confectionne des ouvrages, si la population n'est pas en tout cas associée à ces, activités, activités, risque de, de les laisser à elle-même et par finir, on n'aura pas le résultat escompté. Donc il faut euh, aussi, avec, euh, comme euh, l'a dit le commandant Moumouni, on pense qu'avec la construction du barrage, puisque l'eau, c'est un écosystème qui peut, en tout cas dans son fonctionnement, peut réguler soit par des mécanismes que nous connaissons, peut en tout cas emporter le sable de lui-même. Quand l'eau coule, le sable, en tout cas le système fonctionne normalement si bien que le sable ne peut plus rester sur place et que euh, ça ne pourra plus créer des bandes de sable que nous rencontrons aujourd'hui dans le fleuve. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités que nous pouvons mener pour euh, en tout cas empêcher euh, cet ensablement aigu que nous constatons aujourd'hui. Colonel Siako Omoru, euh, chaque jour, ce sont plusieurs centaines ou milliers de tonnes de sable qui sont extraites euh, des carrières, des, différentes carrières autour euh, de la ville de Niamey. Pourquoi ne pas envisager l'extraction de ces sables-là au niveau du fleuve, là où l'eau s'est retirée Bien sûr, moi je pense que les services techniques qui ont cette charge doivent organiser cette exploitation parce que Enlever le sable de façon euh, mécanique, mécanique euh, sans prendre des dispositions, je pense que ça risque euh, de créer d'autres problèmes qui, si on ne fait pas attention, qu'on ne peut plus contrôler. C'est pourquoi, si vous vous rappelez, dans un passé récent, il y a eu un programme de désensablement du peuple. Ce programme-là a commencé à travailler malheureusement suite à quelques problèmes. Ce programme a été arrêté et ils ont demandé de faire d'abord des études préalables pour enlever le sable. Et ces études, c'est ces études-là qui vont déterminer la quantité de sable qu'il faut enlever, à quel niveau il faut enlever le sable et où est-ce qu'il faut le déposer ou si on le dépose, qu'est-ce qu'il faut faire euh, après Donc moi, je pense que cette activité doit être bien encadrée pour ne pas encore créer d'autres problèmes. Il faut d'abord des études préalables pour déterminer tout ce que je viens de dire. Sinon, on va continuer à lever et un jour, on va créer un autre problème qu'il faut euh, demander encore de, résoudre. Euh, colonel Siakomoro, est-ce que vous avez euh, mené des études qui montrent que le sable contenu dans ce fleuve Niger-là peut servir à, à la construction Je pense qu'il y a des spécialistes bien informés qui peuvent vous donner la réponse. Mais ce qui est sûr, ce qu'on voit aujourd'hui, euh, des camions qui sont en train d'enlever le sable et qui amènent euh, ce sable au niveau des chantiers de construction. Euh, je pense que ce sable est bon. Sinon, les gens ne vont pas continuer à l'élever. Mais je pense qu'il y a des spécialistes qui peuvent vous donner la réponse appropriée. Colonel Moru, est-ce qu'on peut réellement sauver ce fleuve Niger on peut bel et bien sauver ce fleuve Niger. Moi, je pense que c'est pourquoi on a envisagé de construire le barrage de Kendaji, qui euh, en tout cas appelé plus un projet qui date de très longtemps. Et je pense que les gens ont étudié suffisamment ce projet pour permettre en tout cas euh, une bonne exécution et avoir des résultats satisfaisants. Je pense que cela est possible, mais la construction du barrage seulement ne suffit pas. Il faut qu'on l'accompagne d'autres activités qui vont empêcher au sable de revenir dans le fleuve. Donc euh, c'est dans ce cadre que notre programme là est en train de travailler et qu'on pense que avec euh, l'extension du programme au niveau de tous les États, parce que c'est un phénomène que le Niger seulement ne peut pas euh, régler, il faut que tous les autres États apportent leur contribution pour pouvoir travailler l'ensemble du bassin et freiner un peu le phénomène. commandant Seyni Moumouni, est-ce que l'espoir est permis Est-ce qu'il y a quand même l'espoir euh, pour sauver euh, ces fleuves-là qui se meurent L'espoir est permis. L'espoir est permis en ce sens que la protection quand même euh, des écosystèmes continue et la réalisation du barrage suit son cours ce qui est sûr, la situation redeviendra normale naturellement que, en tout cas, ce qui concerne la ressource halieutique, entre-temps, il faut que ceux qui sont en contact direct avec la ressource essaient d'appréhender la situation au lieu de détruire le stock, essayer quand même euh, de garder le minimum pour ne pas entamer la ressource. Voilà, donc la population quand même doit être conscientisée sur ce phénomène-là que au niveau des mares résiduelles, au niveau des poches résiduelles, certes il y a la concentration de la population, mais c'est les géniteurs qui vont donner des petits qui sont là, qui sont en train de prendre donc euh, la population doit contribuer vraiment à l'effort de protection de la ressource en attendant. Au commandant Senoumouni, quels risques euh, les, pêcheurs qui s'adonnent à la capture euh, de ces alévins Le risque, c'est que peut-être aujourd'hui, ils trouvent leur compte, mais que <laughs> le lendemain n'est pas garanti. Or, c'est quand même un secteur socio-professionnel. Il ne faut pas quand même mettre fin à votre activité, tout simplement, quand, euh, par avidité de, revenus. Est-ce qu'il y a des sanctions euh, qui sont prévues à l'encontre de ces pêcheurs euh, Des sanctions sont prévues quant à l'utilisation quand même de certains agents prohibés et aussi quant à la pêche, en tout cas dans ces zones de concentration. Mais malheureusement, ce n'est pas la sanction qui, qui donne la solution au problème. Il faut que la population elle-même euh, soit consciente euh, du danger qu'elle est en train de... À ce nouveau euh, commandant est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont menées par vos directions à l'endroit de ces populations Dans tous les cas, au niveau le plus bas, même au niveau des communes, le service de l'environnement a quand même une représentation et leur rôle quand même, euh, c'est de sensibiliser cette population-là et ils s'activent euh, à, le faire, à, faire la sensibilisation. Je ne dis pas que euh, tout le monde adhère, mais ce qui est sûr, la sensibilisation, elle est au quotidien, au niveau des populations, au niveau des leaders d'opinion. Donc, ce qui est sûr, ça aura ses effets colonel Siako Moru, à part la région de Niamey, est-ce qu'il y a d'autres régions qui sont concernées par ce phénomène euh, d'assablement au niveau euh, du fleuve Niger Le phénomène d'assablement, c'est toute la longueur du fleuve. Ce n'est pas seulement <laughs> à Niamey. Quand vous prenez euh, les axes Niamey-Ayuru ou bien niamey gaya vous allez voir que ce phénomène est partout. Ce n'est pas seulement à Niamey. Donc c'est un problème très inquiétant et disons même que ce n'est pas seulement au Niger, puisque vous entendez chaque fois dans des pays voisins, des fois des, barrages qui produisent l'électricité, des fois on dit que les turbines sont ensablées ou bien en tout cas d'autres problèmes. Ça veut dire que c'est un phénomène euh, général et que les solutions doivent être trouvées immédiatement pour ne pas en tout cas atteindre le niveau que personne ne souhaite. Donc euh, ce n'est pas seulement à Niamey. Aujourd'hui, quand vous partez sur la rive droite, vous allez voir un cordon d'une heure dans les communes de Bitinkoyi et Namaro. Ce cordon va jusqu'à la frontière du Mali. Je ne connais pas, et au Mali aussi, comme je disais, le programme de lutte contre la a intervenu. Vous allez trouver aussi ces mêmes cordons sur les rives du, du fleuve, qui sont juste au bord des lits du fleuve et que vraiment des dispositions urgentes doivent être prises. Donc ce n'est pas seulement à Niamey. Est-ce que le fleuve a connu euh, ce genre de problème euh, euh, par le passé et Ce que je disais au temps du président Ali Chebou, ce phénomène. Mais est-ce que ce phénomène a atteint ce, niveau C'est que le phénomène s'accentue d'année en année. Donc chaque année, on n'arrive pas, comme toutes les, les actions que nous sommes en train de mener, ce n'est pas des actions de grande envergure, des fois, c'est des actions ponctuelles. Et ces actions ponctuelles-là ne peuvent pas. Donc, il faut, au niveau des États débloquer les gros moyens. Les gros moyens pour que, en tout cas, on puisse lutter contre ce phénomène d'absablement. Mais euh, je pense que les actions ponctuelles que nous sommes en train de. C'est vrai, ils ont des impacts réels. Aujourd'hui, ils ont des impacts réels sur euh, euh, l'environnement, mais je pense qu'il faut mener des actions plus de grande envergure pour en tout cas indiquer le phénomène. Il y a de cela quelques années, on a vu des engins dans le fleuve Niger. On, disait que c'est des Canadiens qui, sont, qui étaient venus euh, dans l'optique de vouloir désensabler euh, le fleuve Niger à travers euh, un projet. Où en sommes-nous en ce qui concerne ce projet Ce projet est un projet de l'État et je pense que je ne suis pas la personne indiquée pour vous <laughs> en parler peut-être au moins opportun, vous aurez quelqu'un qui va vous en parler. Mais ce qui est sûr, euh, ce projet a été arrêté, je l'ai dit, par manque d'études préalables. Il y a eu des problèmes. On a demandé à un certain moment de donner les moyens pour faire des études avant de le continuer. Mais malheureusement, jusqu'à présent, euh, je ne sais pas ce qui bloque le dossier. Mais je ne suis pas la personne indiquée pour vous en parler. Est-ce que ce procédé est un bon moyen pour euh, désensabler ce fleuve oui, le désensablement a été tenté dans, plusieurs États, mais moi j'ai dit ça ne se fait pas au pif. Il faut des études préalables, il faut faire des études. Quand on va, le sable qu'il faut enlever, c'est à quel niveau il faut l'enlever. Quand on enlève, où est-ce qu'il faut le déposer et comment s'en servir. Tout ça, c'est des études qui vont les déterminer. Et à quel niveau il faut enlever des zones qui sont sévèrement touchées, ou bien en tout cas, c'est des études qui pourront déterminer cela. Moi, je pense que c'est une activité pour laquelle on ne peut pas se lancer directement comme ça sans, connaître les enjeux et ce que ça va produire après. Il faut faire des études. Colonel Siakomoro, à quelle période euh, de l'année il faut désensabler ce fleuve Tout cela, c'est les études qui vont en déterminer. Mais ça ne peut être que des périodes d'étiage où les bancs de sable sont visibles, sont perceptibles, moi je pense que ça, sera euh, la période la plus indiquée. Mais tout ça, comme je le disais, c'est les études qui pourront nous en déterminer. Le fleuve euh, Niger euh, ne joue plus son rôle d'écosystème où tout est lié. Chaque fois quand il y a un dysfonctionnement dans ce système, malheureusement, les eaux ne peuvent plus couler normalement. Qu'est-ce qui provoque les inondations Aujourd'hui, comme on l'a dit au départ, le lit du fleuve est ensablé. Donc toutes les eaux qui viennent s'étalent. Ils n'ont plus la possibilité de couler normalement, comme ça se devait, mais les eaux s'étalent et ça inonde les champs qui sont à côté, les habitations qui sont à côté. Donc le fleuve ne joue plus sa fonction de régulation, comme on l'a dit. Donc, euh, colonel euh, Siaka Omoro, cette année aussi, il faut s'attendre à des catastrophes euh, je pense que la météo a prévu ça. En tout cas, vu les variations climatiques et le fonctionnement euh, actuel du fleuve, je pense qu'il faut, il faut s'attendre euh, à, ces inondations. Puisque le phénomène est là, ce n'est pas traité, on n'a pas trouvé de solution. Donc, on pense que eh, ces inondations peuvent et les populations continuent encore à, habiter euh, ces endroits, ces anciens lieux du, fleuve Niger. Oui, vous le constatez au même titre que nous. Les populations sont là. On a vu même dans la ville de Niamey, de voir quand il y a des inondations, on demande à la population de quitter. Mais elle quitte au moment des inondations, mais après, dès que les, eaux se retirent, elles reviennent. Donc, euh, je pense que c'est un phénomène qui est là, que tout le monde vit je ne sais pas à qui la faute. Seine Moumouni, est-ce qu'il y a l'espoir de revivre les anciennes gouloirs en ce qui concerne le domaine de la pêche oui, nous fondons quand même euh, notre espoir euh, sur euh, les initiatives quand même du colonel combinées à la réalisation de Kandai. Voilà, ceci permettrait quand même de revivre l'ancien temps. Mais sans l'action conjuguée quand même des protections des berges, et la réalisation du fleuve, je ne pense pas qu'on puisse juguler quand même, euh, même le phénomène euh, euh, d'ensablement. En ce sens que tout à l'heure, effectivement, on a parlé de prélèvement mécanique de, ce sable-là, mais c'est comme si on vous demande de remplir un tonneau troué. Un tonneau troué en ce sens. L'éternel recommencement. L'éternel recommencement, parce que on peut prélever quand même des tonnes d'équipage important de sable, mais il suffit que le ruissellement, la pluie revienne pour qu'un seul courrier déverse la même quantité de, sable dans le fleuve. Mais ce que sur sûr, c'est l'eau qui amène ce sédiment-là. Tant que les protections des berges continuent et que Kandaji est réalisé et que l'écoulement normal continue, l'eau, l'écoulement de l'eau à lui-même peut entraîner tout le sédiment. Entre-temps, les protections des berges continuent et tout l'écosystème aquatique, le bon fonctionnement de l'écosystème va reprendre et on aura quand même... Euh, d'importantes captures, on n'aura pas à vivre quand même euh, des situations de surexploitation et on peut vivre le bon vieux temps en matière euh, de pêche. Commandant Senmoumouni, l'année dernière, à pareil moment, on a constaté une réapparition euh, des gros poissons au niveau du fleuve Niger. D'où est venu ce poisson Des gros poissons ces gros poisson, bon, gros poisson certainement, euh, c'est du poisson qui, je, ne connais pas l'origine exacte, mais vous vous souvenez quand même Je, m'en souviens, mais il semble que ce gros poisson n'est capturé que sur la rive droite, curieusement. Sur la rive gauche, il n'y en a pas. Donc, ce qui sous-entend que peut-être que certainement ce gros poisson-là est charrié à partir euh, d'un des affluents de la rive droite. Et Bon, les mortalités, certainement, sont causées aussi par effectivement des débris de sédiments ou peut-être d'autres sources d'intoxication qui a eu quand même à, tuer, à, causer ces mortalités au niveau de ces poissons-là. C'est tout ce qu'on peut dire. Et tout ça, c'est effectivement les conséquences directes de la dégradation de l'environnement. Ça peut être effectivement des polluants euh, naturels, du SLC, ça peut être aussi des <laughs> polluants je ne sais pas, lié à l'exploitation des carrières et autres. À quel endroit du fleuve Niger euh, peut-on avoir une abondance de poisson actuellement Actuellement, au niveau de toutes les mares résiduelles où vous avez une végétation appréciable, vous avez du poisson. Vous avez de fortes chances de trouver beaucoup de poissons parce qu'effectivement, c'est, curieusement, ça correspond aussi, je disais, à la période de pente. La nourriture étant un peu réduite, étant réduite à ces, sanctuaires-là, ce qui veut dire que au niveau de ces mares vous avez une abondance de poissons. Mais malheureusement, c'est le seul stock qui reste. Et si on le prélève, euh, euh, euh, ça, va sur. Ça va s'épuiser. Ça va s'épuiser. Voilà. <laughs> c'est un risque. Hein. Un gros risque. Un gros risque. c'est comme si vous avez un géniteur, euh, je ne sais pas, une chèvre, je ne sais pas, une vache, un géniteur, mais quand vous l'éliminez, c'est fini. Commandant Seyni est-ce qu'il y a des gros poissons actuellement dans le fleuve Niger Parce qu'on a, on a l'impression que euh, les pêcheurs n'arrivent qu'à capturer que les, les alevins et les petits petits poissons. Tout ça, c'est la conséquence directe de la surexploitation. Il y a des petits poissons dans les captures, certes, mais j'ai dit à cette période, à ce moment-ci, en tout cas vers mars-juin, euh, c'est quand même euh, l'étiage, vous avez la concentration. Donc, ce qui veut dire que dans les captures, vous avez la chance de trouver, euh, de faire des grosses prises, c'est-à-dire de gros spécimens. Mais c'est quand même les rares, les rares espèces qui restent que, que les pêcheurs prennent ainsi. Voilà, sinon, en période normale, euh, effectivement, vous avez la chance de prélever uniquement d'avoir de, quand même euh, des poissons de taille moyenne et qui tirent vraiment vers euh, les, les, petits poissons. Or, en ce moment, c'est soit les petits poissons, soit quelques, quelques gros spécimens. Et ces gros, ces gros spécimens-là, c'est des géniteurs. Euh, Siaka Omoru. Outre l'ensablement, euh, il y a aussi les déchets plastiques qui menacent euh, la survie du fleuve Niger. Est-ce qu'il y a des actions qui se font dans le sens de protéger le fleuve de ces déchets plastiques Les déchets plastiques <laughs> comme le sable, aujourd'hui vous constatez vous-même que dans toutes nos grandes villes, eh, ces déchets sont jetés partout et n'importe comment. Ces déchets plastiques sont emportés par le vent ou bien les eaux qui les dirigent vers le fleuve. Et ce n'est pas seulement le fleuve, pratiquement les mares et tous les, euh, les plans d'eau que nous avons. Je pense qu'il faut, à un moins le ministère de l'Environnement a procédé à la collecte avec l'appui d'autres ONG à la collecte de ces déchets plastiques pour voir comment est-ce qu'il faut les transformer ou bien, en tout cas, ils ont, euh, mené cette opération, mais malheureusement qui n'a pas continué. Et il y a même une loi qui a interdit l'importation de ces déchets qui aujourd'hui, jusque-là, dit son application est lâche. Donc moi je pense que euh, c'est d'attaquer le problème à la source. Il faut éviter d'importer ces, déchets plastiques comme d'autres pays l'ont fait et pour éviter euh, de nous créer des problèmes au niveau de nos écosystèmes le, seul moyen moi je pense, c'est d'abord d'arrêter ça. Et ce qui existe, de mener des opérations de ramassage, de transformation ou bien de brûler carrément ces déchets. Mais sinon, comme le sable, les déchets plastiques aussi envahissent le fleuve. En dehors du phénomène d'ensablement, les sachets plastiques, à un certain moment, euh, on a aussi lutté contre euh, l'adjacente d'eau euh, et certaines plantes aquatiques. Est-ce que ces plantes-là menacent la survie du fleuve au Niger mon collègue est euh, normalement de la direction qui doit <laughs> parler de ce phénomène. Euh, euh, commandant, commandant est-ce que c'est les plantes aquatiques telles que les laitues d'eau ou bien la jacente d'eau menacent le fleuve La menace quand même causée par la jacente, ça persiste. Ça persiste, c'est-à-dire au même titre que l'ensablement, souvent quand il y a des crues, des crues locales, bientôt d'ailleurs, euh, avec le retour de la saison de pluie, vous allez constater que vers euh, juillet, août, juillet, août, vous allez voir que cette jacinthe-là sera, va envahir complètement la surface du fleuve. Ça veut dire que cette jacinthe est quand même euh, localisée au niveau, certainement en amont, au niveau de certains affluents, au niveau de certaines mares. Maintenant, en période de crue locale, avec l'écoulement de l'eau, ça, regagne le lit, le lit du fleuve. Et vous avez le phénomène euh, de, plantes euh, aquatiques envahissantes qui va entraver euh, les activités de pêche et bien d'autres activités sur l'eau et qui menace, directement aussi la faune ichthyologique, c'est-à-dire le poisson, est-ce que les sachets plastiques aussi menacent la survie des ressources halieutiques Bien sûr, bien sûr, dès, lors que ça se retrouve euh, dans l'eau, si ça se dépose dans le sédiment, étant donné que le processus de décomposition n'est pas facile, ça veut dire que ça va perturber quand même le recyclage, euh, en tout cas, de, la matière organique. Donc, euh, ça veut dire que ça, va perturber la flore aquatique et cette, flore-là dont dépend aussi les animaux aquatiques. Voilà, euh, nous sommes au terme de ce forum euh, du studio Kalango. Nous étions avec euh, commandant Seine Moumouni, chef de division suivi des ressources halieutiques et vulgarisation des nouvelles techniques et technologies de la pêche à la direction de la pêche et de l'aquaculture. Nous étions également avec colonel Siaka Umoru, coordonnateur national du programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger à la direction générale des eaux et forêts. Merci à nos invités et merci à vous tous euh, de rester fidèles au programme du studio Kalangou. Merci, au revoir.